Chers auditrices et auditeurs du studio Kalango bonjour et bienvenue à ce premier numéro de la semaine et qui marque aussi le début du mois de votre émission Le Niger sur Kalango À la présentation, c'est le duo Samira Wafi et Mariamade pour vous servir. La technique d'aujourd'hui est assurée par Seni Saka et à l'édition, nous avons Adama Dawaki. Bonjour Mariam. Bonjour Samira. Alors, à quel est le programme du jour Comme d'habitude, nous ouvrons cette émission avec un flash d'information qui nous sera présenté par Nafisa Adamo Sirfo, puis la rubrique hebdomadaire Justice aussi, euh, comme chaque lundi. Il y aura du loti avec les femmes du studio Kalango, une page sport et euh, aussi de la culture linguistique. Dans la rubrique au cours de Région, nous restons à Niamey pour parler du prix de la volaille à une semaine de la fête des Ramadan. Nos rubriques spéciales Ramadan dans le conseil sur le comportement du avec un prédicateur, à le conseil d'éthique et enfin la rubrique rose. Dans la partie invitée du jour, nous recevons Mademoiselle Fatima Mahamadou, promotrice de l'entreprise Tima Agro, qui est spécialisée dans la transformation de l'arachide en produits divers. Chers auditeurs, évidemment, avant de vous dire au revoir, nous allons écouter vos messages. Tout de suite, les flashs d'informations avec Nafisa Sirfo. Bonjour Nafisa. Bonjour Mariam. Bonjour Samira. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'informations. La communauté chrétienne du Niger a célébré hier 31 mars la résurrection du Christ ou fête de Pâques sur toute l'étendue du territoire national. Un événement central de la foi chrétienne que les chrétiens considèrent comme l'accomplissement de la prophétie biblique de Messie ressuscité en d'entre les morts, offrant à ses disciples la vie éternelle. Les travaux de réhabilitation des aménagements hydroagricoles de l'ADA et du Centre de développement agricole de DIFA ont été lancés le samedi 30 mars par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Ces travaux seront principalement axés à la remise en état du bon fonctionnement de toutes les infrastructures d'irrigation et la protection contre les crues de la Komadougou, ce qui contribuera selon le ministre au relèvement des populations de DIFA qui ont été affectées par la situation sécuritaire de la région. Enfin, l'association nigérienne de lutte contre la corruption, section de transparence internationale la ANLC Niger, a dans un communiqué de presse la semaine dernière salué la récente élection au Sénégal. Elle a tenu à féliciter le peuple sénégalais, je cite, pour sa maturité politique et son patriotisme. L'ANLC, tout en exprimant son admiration pour la démocratie sénégalaise, la considérant comme un modèle de stabilité et de progrès pour l'Afrique, en particulier pour les États du Sahel, a lancé un vibrant appel à la société civile nigérienne pour, je cite, un sursaut d'orgueil pour le retour rapide à un ordre constitutionnel au Niger. Fin de citation. C'est la fin de ce flash d'information. Merci bien, Nefissa, pour le flash info. Passez une belle journée. Chers auditeurs, comme annoncé à l'entame de l'émission, nous recevons Mademoiselle Fatima Mamoudou, promotrice de l'entreprise Atima Agro, spécialisée dans la transformation de l'arachide en produits divers. Tout d'abord, euh, bonjour euh, Fatima. Oui, eh, bonjour Ba lahiya ba? Lahiya lau. To madalla ko kin iya muna ƙarin bayani bisa kan tima agro? To tima agro dai aikin da muke yi aikin gushiya ne. Mhm. Muke sarrafa sarrafa. Mhm. Muna hudda man gushiya, muna yi digadige, hori da digadige wanda aka sani dai. Mhm. Muna yi tartin, tartin kin kamar dai Eh, tigadige ne da ake sa kikin burodi ana ci mhm. muna yi kuli-kuli bankin kuli-kulin ma muna yi gujiya na sukari da gujiya na gishiri da sauransu to madalla ko muna iya sani kamar ga wuni hakan ga koko ga sati yaya aikinku yake yaya ake iya ka'idance aikinku kuna kai kamar buhu nawa haka da kuke sarrafawa To ga sati dai muna iya kai buhu goma mm-hmm. da muke yi. Balantana yanzu lokacin azumin ga mutane suna aiki da kayan gusha, digadigan da mai duka ana tambaya shi kowane lokaci. Mm-hmm. To muna so mu sani don irin gusha kuke aiki, griye ko kuma non griye? To gushen da muke aiki da su dai iri biyu ne. Akwai gusha da 'ya'yansu kanana ne, akwai gusha da 'ya'yansu manya ne mm-hmm. wannan gusha da 'ya'yansu kanana ne su ne muke aiki da shi ta ɓangaren man gujiya saboda gusha kanana ta hihur da mai mm-hmm. da na tigarige shi ko an jin dadin shi da manya manyan ko muna aiki da shi wajen tartin in da na gaya muku mm-hmm. tigarigen nan da ake sa cin burodi saboda wannan bai da mai ne mutane ko ba su suna ci cikin burodi suna shi mai diya gare shi da arashid kin nan da ake yi abun ga gujiya na, na sukari da na da na gishiri shi ko manya-manyan gujiyan ne ake aiki da shi yanzu muna so mu sani quelles sont les étapes processus kin aikin gujiyan nan oh, les étapes mm to so, gujiya mhm. gujiyan da in mun kawo in aka kawo su mm -hmm. suna cikin abin gan sai a kai su mashin a mm. hudda bayan mm. A hudda bayan a zo a sa su kikin wannan mene shodiyar kasko ko a sa kasko ko ko akwai wani mashin mm-hmm. da shi yawwa mai sa ya zahi an sa shi to kana kana juya shi kana juya shi in ya lokacin ya kai daga iskan ma ka gane a mhm. cewa mhm. wanga ya kai a hudda mai ko ko wanga ya kai a yi tigadige da shi mhm. sai a hudda shi sannan kuma a murza ta a hudda bayan na rush nan da kuke gani daga baya a heke shi sai a kai shi mashin to madalla kenan ina gane kamar yadda ake bari ta soyu in za a yi tigadige ba haka na ake barin shi ba in za a hudda mai yadda ake bari ya yi tigadige daban na mai mm. daban na mai kin ba a bari ya nini sosai mm. yanzu an ka hudda shi an hudda bayan an kai a heci shi an kai shi mashin an dawo da shi lokacin nan ne za a fara sabon aiki lokacin nan a zo ko mutum ya sa cin basin ko ko a sa cikin murhu hakan ga a hudda ana sa to sadefon kuma da lokacin da ake kiki in lokacin sanyi ne mm. sai mutum ya yi otiyar ruwan zahi kaɗan a sakin shi ya hudda mai in in lokacin zahi ko ko ruwan famfo ne aka sa yana huta nan da nan bai da wani matsala to bayan shi an hudda mai in sai a zo kuma akwai part in da ake samu na ke shiga zabar marci kusa mhm. wannan part in ne za a zo a yi ta mulmula a yi ta mulmula ana mulmula shi mai yana huta mhm. daga baya sai a zo a hudda a hudda sauran mai sai a sakin kasko a soya shi mhm. an soya shi wanda ake samu shine kulikulin ga mhm. kulikulin yana daban man koyi ga shi na daban mm. Mm. to madalla ko muna iya sani kamar yanzu in mutum na son yayi harkar transformation ta gujiya wani irin equipment ne yake bukata mi da mi ya kamata a ce mutum ya tanada to na gode da wanga tambaya harkar gujiya dai in mutum yana so ya yi shi ka dai nemi gujiyanka na kwarai mhm. kwana dai in ka samu gujiyan akwai mashinkin da ake aiki da shi da hannu a hudda bayan gujiyan ko kuma mu ya kai shi dai akwai waɗanda suna a tai a biya mhm. a hudda bayan mhm. mashinkin nan in mutum ya same shi bankin shi ka samu murhu babba da abin ga turmi da tabarya da basin da muciya da su ne ake aiki da kuma tabarmi da in ka tashi kana so ka huda bayan a shin huda shi saman tabarma saboda kun san harkar ijen. Mm. to mu mun san da ita tabaryan da abin ga da humburin mm-hmm. ana abin nan ne ciki ake ɗiban mai ko eh. to eh, shi kuma muciya miye utility inta cikin haraka na ji an kazancen muciya dan na ka muku zancen basin ko mhm. wani bi in ba ku da mucca in ba ku da turmi oh, ya cin basin kin ne za a sa shi an sa shi basin ga wannan mucciyan sai a sa kamar mucciya da basin kin yana represente wannan turmi tabarya ne turmi tabarya mm, gani ok ok na mm. gane to ko muna sanin kunan atima agogo mhm. yaya kuke kiyaye wani tsabta abincin tun harawa sai ƙarshen aikin ku balle na ji kunce ana wasu taktin ishi kuma taktin in ba dawa ta zai haka ake shawa ta cikin burodi da sauransu dai mm. to harkar ishen ai wannan ya zama tilas da abun da kace ci da kanka mm-hmm. dole ka gyara shi mm-hmm. to yanzu gushen dai an sai gushen kuma gusha ba duka gusha suke yi ba kun san wasu suna ka akwai wasu gujiya da ake kawo da deja wannan bayan shi bai, gare shi mhm. ni ba so irin wannan gujiya ba ni aiki da shi mhm. saboda deja an hudda bayan to baka san wani lokaci yayi da aka hudda bayan mm. ya sha kura mhm. gashi iska ma ya fara canza iska to wannan ba mu aiki da shi in mun ɗauki gujiyar mu wanda aka san gashi nan da fata shi ya zo mu tai mu hudda shi da kanmu in an ka hudda shi an kawo shi gida yanzu sai mu ɗauki ko da kwarya ne ko wani kwano hakan ga a zo ana gyara shi sannu sannu saboda wani bisa kan gusha ma abun ga ce kasa ko ko wasu dutsi ko arshil hakan ga ake mm-hmm. samu cin shi mm-hmm. kenan sai an dauki lokaci an gyara shi an ya yawwa mm-hmm. an tsabtake shi sannan a fara soye-soya an soya shi bankin wannan soye soyan nan ma an hudda duka basin da kayan aiki da ake yi sai an wanke su a bar su su bushe saboda na ce muku abun ga aikin gujiya bai san ruwa mm-hmm. in sun bushe sannan sai a yi abun ga wajen mai kaɗai ne ake sa ruwa mm-hmm. amma bankin shi in tigarige ne in tartin ne tartin kin ko da yadda gaya muku kamar yadda ake tigarige ake yin shi mm-hmm. si bambancin shi miye in tigarigan nan in an yi shi misali a dauki tigarige ake an sami sukari ko an sa wasu madara ko an sa wani shokola hakan ga kun san gu su ba guda ba ne yauwa mm. to kama haka nan da ake yin shi mm. me mun ce yawanci da mafi aksari abun da ake so a yi shi abun gushiya babban nan ne nake so a yi shi da shi yawwa mm. saboda wannan bai da hudda mai in an yi tartin kin aje shi yau misali a ce na yi tartin na kawo shi nan ga na karamin gushiya ne an aje shi nan zuwa sati sai ku gani mai ya fara tasowa to in wancan ce ku babu mai da ke tasowa to madalla nan zamu dan zamu dasa aya kafin mu dawo mu ci gaba da wannan hirar tamu tare da ke Fatima mun da rike cewa haraka gujiyar gade tana son tsafta kuma abu mai muhimmanci ba ta son ruwa to madalla Pour, euh, avant de poursuivre, nous allons écouter euh, notre conseil ramadan. Pour avoir les récompenses de son jeûne, il est recommandé aux jeûneurs de savoir tenir sa langue, c'est-à-dire de ne prononcer que de bonnes paroles et faire des zikrs. Oui, selon les prédicateurs, le jeûneur doit aussi bannir certains comportements comme la calomnie ou raconter des ragots. Le prédicateur Oustaz Halod Yaya joue au téléphone par Hawa Ousmane. Il ne suffit pas de s'abstenir de boire, de manger pour euh, s'assurer de la réussite de son jeûne. Il y a beaucoup d'actes à éviter. Le fait de médire, critiquer, calomnier, c'est interdit en islam. Un jour, le messager d'Allah a recommandé à la communauté musulmane de gêner et au moment de la rupture de venir demander la permission de rompre. Un homme vint demander pour des jeunes filles et le prophète Mohammed a dit comment pourrait-elle gêner Il a ordonné à l'homme de les faire cracher et du caillou, du sang qui est apparu dans leur crachat. C'est les conséquences définitives de la médisance. Le prophète moment, a dit Celui qui n'abandonne pas le mensonge et les mauvaises actions, Allah n'a nul besoin qu'il abandonne sa nourriture et sa boisson. C'est-à-dire son jeûne ne sera pas accepté par Allah. C'était là les conseil ramadan avec Oustaz Aladou Yahya. Poursuivons avec notre invité du jour. Pour, ceux qui viennent de nous prendre en cours, nous sommes avec Fatima Mahamadou, promotrice de l'entreprise Tima Agro, une entreprise spécialisée dans la transformation de tout ce qui est dérivé d'arachide plutôt. Oui, voilà. To Fatima nous sommes mu et kaman ou eh, en wani irin abubuwa bancin mun ana ana tigadige ana kuli-kuli da abin nan ba su kadai ne kuke yi a can tima ago koko akwai wasu abubuwa da kuke yi da gujja koko da kuke hangen za ku fara sawa cikin harkokin sana'aku to na gode da wannan tambayar da kuka yi mini lalle lalle muna aikin gujja bancin wannan da na muku akwai wani abu da muke yi muna kiran shi a rashid christian mhm. a rashid christian in shi kuma Gujiya ce da ake gyarawa ana sa mishi farin, mm-hmm. ana sa mishi madara mm-hmm. da sukari. Mm-hmm. Wannan in an gane shi kama yana kama da wannan uh, eh, biskitin nan da ake ce ma petit kayu mm. Mai ɗan bulbul ne yake. Eh. Haka yake. To wannan nan ba a san shi sosai ba. Mun hara yin shi dai ba jiya ba -hmm. wancan. Akwai wanda muke kira pudur da rashid wannan garin gujiyan ne mhm. wanda ba a soya ba shi kuma yanzu dai ne mutane sun fara gane da shi mhm. yanzu ana tambaye mu su sosai wannan abun ga eh, garin arashid nan da ke mhm. wasu suna miya da shi wasu koko suke yi da shi kunu hakan ga eh, da horin tigadige mm-hmm. shi ko sha ma akwai wata mace ta cire ta ce har yanzu tana shiga mm-hmm, mm-hmm. a kawo mata su ko miya ake da shi wasu ko suna koko da shi to madalla ko muna yi sanin ta yaya kuke zaben masu kamuku kaya hakan ga su furnisher in naku masu kamuku gujiya kuke zaben su ko duk wanda dai kuka samu ne kasuwa sai ake yi a'a to wa'anda muke ɗauka wajensu su mun san gonansu mun san aikin da suke yi mm-hmm. kun san yanzu mutane wani bi sauri suke sai su ta sa wasu angare kicin kayakin su mm-hmm. wa'annan da muke ɗauka wajen su mun san su ba su yi aiki da angare kin nan mm-hmm. shi yasa mun so ɗauka wajen su kuma in sun kawo gushe su ya yi tsafta da wasu gushiya sai sa wajen su ne muke ɗauka yanzu muna so mu sani tima wani irin matsaloli ku fuskanta cikin aikin ga da kuke nan gujiya To, matsalolin da muke fuskanta dai suna da ɗan dama. Mm-hmm. Yanzu ta wajen saide-saiden abubuwanmu. Mm-hmm. Akwai wani eh, wajaje da muke so a ce mu sun shiga mm-hmm. kamar irin su alimantashi haka ko kuma a ce mutanen garinmu ko ina da ko ina in ana da bukata a ce ana so kayanmu da wanda muka yi nan ga garinmu. To wani bi sai ku gani in an zo wajen alimentation an ce za a kawo kaya a aje ba su yarda. Ba su yarda ban san me yasa ba amma ba su yarda. Kuma kayan mu ko, ko da yake ni gujiya, aikin gujiyar da nake da dama ma, da dama fiye da wasu abun ga. Mutane sun yi son su ɗauki kayan wasu waje eh, da ake kawo waje. Yauwa mm. shine nake. Ko farashi ne ba guda ba. To. ban san farashin ne koko mu dai matsalar mu dai nan ga kowa sani mutane sun yi son kayan waje da kayan ban san yasa ba ko da yake nan ga mu ɗauki misalin wanga man gujiya mm-hmm. yanzu a kawo man a ce man gujiya ga ana da shi 350 ko kuma 300 yanzu an kawo wani gujiya da ba a san yadda aka yi shi ba mm-hmm. a ce yana abun ga jika. Mm-hmm. sai su gani gwamma wancan da namu yawwa yanzu wannan gushen unga ah, wannan mai in da yake shika mhm. in an sa cikin kasuwar ma wani iskan da yake kai da kace girkin ma mhm, mhm. sai abun baci ma ya zama aske wannan ana iya ma kwamfaran su wanda kin san ga abun da aka yi shi da shi ga yadda ake yin shi ya yi miki shi ne ba su gane ba har yanzu to Allah sa mu gane to ko muna isanin ta yaya wannan eh, entreprise in taku take kawo gudun mota cikin harkar tattalin arziki na nan ga na kusa da mu hakan ga kamar na to wallahi sai dai mu ci alhamdulillah saboda tun da muka fara aikin ga mm. sai dai godiya dai kullum kullum kullum alhamdulillah kuma ga yaran da muke aiki da sunan ga mm-hmm. in a ce kamar suna gida ne suna kwanci ba su nan ga yin komai bai gyara su bai gyara iyalinsu mm-hmm. amma ga shi na mun mun rage musu nauyi rage ma uwayensu nauyi mun rage musu nauyi su yaran da kuke aiki da su sun kai su nawa yanzu dai su shidda ne ke gare ni ta bangaren transformation ke mm-hmm. shidda ne nake aiki da su da akwai wata mace ita lokaci zuwa lokaci ake biyan ta ita ba abin ga ba ta wajen mu dai in mun mm-hmm. tashi muna da aiki da yawa a kira ta zo ta yawo To da latima mun san cewa kuma haraka gujiya da yanzu da yake lokaci na ga hucewa duniya ta kara gaba akwai abubuwa da ke shigowa tare da zamani mhm. ko muna iya sanin ta yaya ne ku kuke kula da kiyaye harakan muhalli e, eh, jaga tout ce qui concerne l'environnement in kuna ci harkar transformation in ku dan kun kiyaye muhalli to eh kama eh ake cewa comment est-ce que vous vous vous prenez soin de l'environnement et lors de vos transformations et tout parce que aiki da machine an san da suna kawo cikas ga environment inda muke tunda inda ake gyaran gujiya na san ko cawa hakan ga ana ca ba ta yi tsirowa ko wani ba ka saboda zahi mm. to mu ba mu aiki da mashin yadda ga muku mm-hmm. duk aikin da muke yi dai na gargajiya ne har yanzu ba mu da mashin in ba dai wajen nikon digadigan dai ne za a kai shi wannan ku ya zama tilasta ne tunda ba mu da wani mafita sai shi ba mu aiki da mashin mm-hmm. eh. to madalla malama fatima gaskiya mun ji daɗi da kika amsa kiran studio kalango kika zo kuma kika amsa tambayoyin da muka yi miki amma kafin ki tafi mun san cewa kina cikin harkar restoration ko muna iya samun yan rosetta hakan ga guda da zaki partage avec nos auditrices albarkacin wannan hota na ramadana Ok, to masha Allah. Lallai gaskiya ina ci restoration mhm. kuma babu wata matsala mhm. ina yi muku partajen eh, abin gari set guda. Mhm. To wanga set inda za ni muku saman moringa ne, kwafto. Akwai abin ga mm, in mutum ya sayi moringan shi, kwafto hundu-hundu ake kiran shi kwamina nama. Mutum ya sulala shi, in ka sulala shi helicopter nan kana iya musa shi da tigadige mhm. da lamti da kuli-kuli in kana so mhm. da su tomati da pavron da maji in mutum yana so mhm. ɗan gishirin shi in ka gyara shi wannan ruwan nan da aka sulala shi da shi ruwan ma ba a yada shi ruwan nan da aka sulala shi a kawo ruwan ashe mutum ya nemo mant in shi mai kyau in ka kawo mant ka samu ɗan kitta in ka samu kittanka ka sai sikir ne. in da hali mutum ya sai ɗan ananan shi guda a kawo ananan nan a hudda bayan sai a yi in shi in ba ka da mixer ku ka ɗauki rapes sai ka yi rapen ananan inka in ka yi rapen anana sai a zo ruwan sulalen abin ga kwaftan eh. yawwa sai a zuba ruwan nan a zuba ruwan anana ciki a kawo mantikin a, murza shi da, sukari mhm. yanzu an murza shi da sukari shi ko sai a take shi ciki a yi rafe dan kitta kittan ko a sa mutum ya sa sikir valine in shi ko biyu mhm. in yana so saboda yana yi wa wasu ba su son shi mhm. in an yi shi shi kenan la personne peut se servir Mm-hmm. kenan moringa bai kai a ce a zub da ruwa a yi aiki da ka samu riba bibi ga ga ruwa masha Allah <laughs> shine ga kwafto ga ruwa mm-hmm. yadda ake yin shi da warau shi ma haka horin warau Attends, Madala, de Tima, on te souhaite vraiment une excellente journée. Voilà, chers auditeurs, c'était euh, la rubrique euh, invité du jour. À présent, c'est l'heure pour nous de suivre les conseils diététiques. Samira, beaucoup de personnes estiment qu'on ne peut pas faire du sport pendant les mois du ramadan. En fait, ils se trompent. On peut bel et bien faire du sport, euh, mais il faut, prendre, il faut le faire genre après la rupture du jeûne pour faire les exercices physiques. Et selon les médecins, il y a des conditions qu'il faut respecter. Ok, écoutons Dr Harakoui Mohamed pharmacien nutritionniste au micro d'Erhila Toussoumana. Pour euh, une activité sportive euh, bien réussie pendant le mois de Ramadan, euh, quelques conseils hygiéno-diététiques sont vraiment à respecter. Notamment, il est recommandé de bien s'hydrater avant, pendant et après l'activité physique et de consommer des aliments très riches en, sucre rapide, notamment les jus de fruits, euh, les fruits, euh, la date euh, avant l'activité physique. Consommer des aliments riches en glucides complexes, dont notamment les céréales, les féculents, ceci après l'activité physique. Il faut également minimiser au maximum le nombre de séances par semaine, maximum 3 par semaine. Il faut réduire l'intensité de l'activité physique du sport à travers des séances légères, surtout faire le sport dans un endroit frais et de manière assistée, ne pas forcer l'organisme. L'une des conditions indispensables pour la pratique d'une activité physique passe d'abord par l'assurance euh, d'un bon taux de glycémie sanguine dans le corps et également de n'être pas déshydraté. Le sport est un phénomène pratiquement qui entraîne d'une part une diminution du taux de glycémie dans le sang et d'autre part des pertes hydriques notamment dues au phénomène de transpiration. Il faut aussi euh, remarquer que pendant la journée du jeûne du mois de Ramadan, surtout euh, sous cette forte canicule, ces deux phénomènes euh, sont très récurrents. Alors partant de ce constat, on peut euh, pratiquement dire qu'il est totalement déconseillé de faire le sport euh, pendant la journée du jeûne, au risque vraiment d'accentuer doublement les états d'hypoglycémie et de déshydratation sévère. Cependant, il est tout à fait euh, permis de faire le sport quand le risque d'hypoglycémie et de déshydratation sont écartés. On prend une pause et on se prend juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger sur Kalango se poursuit cette fois-ci avec la rubrique hebdomadaire Justice. Elle porte sur la corruption, une pratique qui freine le développement de plusieurs pays. C'est quoi déjà la corruption Je vais essayer, ce miracle de la définir quand même. La corruption est la perversion de, le, du détournement des biens publics. Ah voilà, bravo, <laughs> t'as essayé. Pour en savoir plus sur la corruption et ses différentes formes ainsi que la définition complète, écoutons Maître Abdulrazak Mahazou dans son entretien avec notre reporter Tarnan Foudé Ahmed. Qu'est-ce que c'est que les délits de corruption La corruption, c'est l'offre ou l'acceptation des dons ou promesses en échange d'un acte de fonction. Ce qu'il faut savoir est la complexité du délit de corruption tient de la pluralité de formes que peut revêtir ce comportement. Il existe euh, différents types de corruption. Classiquement, il y a la corruption active et la corruption passive, ainsi que euh, la corruption publique et la corruption privée. Quels sont les différents types de corruption euh, La différence entre la corruption active et la corruption passive tient dans le rôle que prend la corruption. En effet, un coupable du délit de corruption active, la personne qui propose son droit à tout moment, directement ou indirectement, et des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques. Donc, l'essence active de la corruption ici tient de la personne qui propose un avantage indu. Et par ailleurs, est coupable du délit de corruption passive la personne qui sollicite ou qui agrée sans droit à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui. Et ici, le sens passif de la corruption tient donc de la personne qui propose ou qui accepte l'exercice de sa fonction en contrepartie d'un avantage quelle est la différence entre les délits de corruption publique et les délits de corruption privée euh, La distinction entre euh, la corruption publique et la corruption privée est également définie euh, dans le Code pénal nigérien. la corruption est qualifiée de publique lorsqu'une personne propose un avantage indu à un agent public en contrepartie d'un acte de fonction. Il en va de même lorsque l'agent public est celui qui sollicite l'offre eh, d'un avantage indu en contrepartie eh, de l'exercice d'un acte de fonction. Il faut rappeler eh, que l'agent public, c'est toute personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif. À l'inverse, euh, la corruption privée concerne le fait pour euh, quiconque de proposer un avantage indu à une personne qui exerce dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale et euh, une fonction de direction ou un acte de son activité. Quels sont les éléments constitutifs du délit de corruption Les éléments constitutifs du délit de corruption reposent sur un pacte de corruption qui eh, se décline en quatre critères. Eh, le premier critère, c'est un avantage induit qui peut être des dons, eh, des promesses, des offres, des présents ou des avantages. Ici, il faut dire que la remise d'une somme d'argent est la forme la plus courante d'avantage induit. Mais elle peut également s'agir de l'octroi d'un prêt. Deuxième critère est un acte de fonction ou eh, un acte eh, d'activité qui se traduit par le fait d'obtenir de l'agent qu'il accomplisse ou qu'il s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction. Et le troisième critère, c'est l'initiative du pacte eh, de corruption et lorsque l'auteur de la corruption et de qualité quelconque propose un avantage indu à un agent ciblé qui être un agent public ou bien un agent privé, et en contrepartie d'un acte de sa fonction ou euh, de son activité. Le quatrième critère et le dernier critère, c'est que le délit de corruption est un délit intentionnel. En ce sens, euh, l'auteur doit avoir la conscience et la volonté intentionnelle d'agir dans ce sens. Quelles sont les sanctions applicables au délit de corruption La corruption d'agent public est punie d'une peine d'emprisonnement de 2 à moins de 10 ans et, d'une amende de 50 000 à 1 million de francs CFA. Et quant à la corruption dans le secteur privé, elle est punie d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs CFA, conformément aux dispositions du Code pénal nigérien. C'était la rubrique Justice réalisée par Tarnan Foudey Ahmed. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'émission en cours, ne vous en faites pas, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission sur notre site web www.studiocalango.org. Samira, c'est l'heure de faire un tour à région pour. Euh, mais nous restons à Niamey pour parler des prix de la volaille une semaine de la fête. Reportage d'Ismaël Amadou Ajibou. À Niamey, à une semaine de la fête de Ramadan, les marchés sont inondés de volailles et à un prix abordable. Anzar, vendeur de volailles, paye à Loga pour vendre à son point de vente à Yantala Château 8. Oh, o oh, oh, wallahi gwan wo igner zangaku igner zangidu igner zangiye tura igner katmi igner mi satsan sankan o to ne di gingaro ambar igi tonda sankimil o dogo ne de wallahi borango ge dai kosu borango ge dai ka ku konda katan hal jingaro hane ore kan gogo dogo ne o che kiza sunu kan gonda nan kan gatan igoga ngai wo gogo de ko katan no bore kan sin da ga ayo mo ngai mo go ga dai no im kosne im ko kadan ga filigo era to wallahi ga bayan ka da gabi i gonda nan kan go kosu i gonda nan kan ga nera wadin dai no i ba ko ara bore ga da ga kisina dina subno jingaro hmm. Monsieur Dadi Daridio, revendeur, part également à Loga.

Certaines femmes partent payer pour conserver aux frais avant la fête, car il est possible que les prix des volailles remontent. wallahi gorin yan dai ne kaga dai a ni bai da lokaci to iga kya da gumuno kenan go me bar mi dai zada hinai nigi dai ga congele wani mi daga gisi da lokaci to ni mi wi to son bor gudu 2500 2750 ibe rai mo bor gudu 3000 son ni di wani yan kai du 3000 3000 ne duwa iga beri gumo masha Allah a kirai masha Allah haran iga kya da kya da fa kirai iga ne bor se 4 million 5 million amma ai wo gorin no kane sai dai agin to 6000 7000 ne ga koy gingaro a gito 6000 7000 Pour Daridjo, les prix varient selon la provenance des volailles. Et c'est aussi aux grossistes généralement de fixer les prix, car les revendeurs revendent juste pour avoir un petit bénéfice. cela marque la fin du reportage signé Ismaël Agebo. À présent, chers auditeurs, si vous venez euh, de prendre l'émission en cours, c'est le moment de parler du sport. Sérieux Adam est dans l'émission Le Niger sur Kalangu avec nous. Bonjour Adam. Bonjour Mira, bonjour Mariam. Bonjour Adam. Alors, euh, dis-nous avec quoi nous allons débuter euh, ce premier numéro de la semaine et du mois. Eh bien, nous allons parler d'Hervé et du Cameroun. On le sait que d'un commun d'accord, le pays de Samuel Eto'o a décidé de, de se séparer de son entraîneur Hubert Gossong pour insuffisance de résultats à la tête de l'équipe nationale des Lions indomptables. Quelques jours après avoir quitté quelques jours après avoir annoncé qu'il va quitter l'équipe de France féminine de football après les Jeux olympiques de Paris 2024. Ce matin, plusieurs médias camerounais déclarent qu'Hervé Renan a été aperçu à l'aéroport de Yaoundé. Aucune information n'a encore fuité pour les raisons de sa présence au Cameroun, mais le technicien français arrivé très tôt ce matin à bord d'un guet privé. Donc affaire à suivre. Et oui, Adam, merci pour cette info. Mercato, poursuivons en football avec euh, les résultats des quarts de finale aller de la Coupe de Confédération. Nous allons débuter avec le derby entre les deux équipes égyptiennes, à savoir le futur FC contre le Zamalek SC. Victoire du Zamalek deux buts à 1. Le stade malien a perdu à domicile un but à 2 contre le Dream FC. L'équipe ghanéenne a réussi à s'imposer à Bamako contre des Maliens réduits à 10. Le River United du Nigeria a battu l'USM d'Alger sur le score de 1 but à 0. Et enfin, l'équipe libyenne Abu Salim s'est imposée contre l'équipe marocaine RSB Berkane. Se sont quittés sur un match nul de 0 à 0. Les matchs retour de la Coupe des Confédérations sont prévus pour le dimanche 7 avril prochain. C'est la fin de cette chronique. À demain pour un autre numéro. Merci Adam pour toutes ces informations sportives. À Samira place à présent au portrait du jour. Âgé de 25 ans, Jamilo Bokwei est un jeune lutteur de la commune de Madarumfa, région de Maradi. Talentueux et combatif, il a commencé la lutte traditionnelle en 2020. Selamot Kadri s'est intéressé aux jeunes lutteurs au parcours exceptionnel, souvent ce reportage torse nu, membre bien solide sur ses 65 kilos et bien dans son accoutrement. Jamul Bokoy, natif de Madarumfa, fait la fierté de la région de Maradi. Passionné de lutte traditionnelle depuis son jeune âge, il n'a que la lutte comme sport et comme activité. Il raconte son parcours et sa passion pour la lutte. Pourquoi 2019 na koko Maradi na yawo na champion muka je difa nan ma na yi na biyu kawai ni kokowa sha'awa ce na ga mai mahimmanci tana burge mutanenmu baki ɗaya na nijar wasa ce ta galgajiya. Sani Amadou Abdu, entraîneur adjoint de l'équipe de Maradi, mais aussi coach du jeune lutteur, le décrit comme un lutteur plein d'avenir qu'il faut suivre. Jamilou, c'est vraiment eh, un athlète ou un lutteur. D'abord, qui a l'intention d'aller lutter et après, lorsqu'il nous a approchés, maintenant, nous, de notre côté, on a pris des dispositions, parce que pour nous, c'est une fierté. Quand tu as un talent, comment le détecter Quelqu'un, je pense que quelqu'un qui est venu dans ton projet et qui dit qu'il a élevé, elle a besoin de toi, la première intervention que tu dois faire, c'est de partir et voir qu'est-ce qu'il a comme technicité et toi, qu'est-ce que tu peux l'apporter comme contribution. Donc voilà de la façon dont on a commencé à en discuter avec Jamilou. Et finalement, il a commencé à faire des matchs des éliminatoires au niveau communal. Au-delà là, il est parti au niveau départemental. Jusqu'à aujourd'hui, il représente la région de Maradi au nom de et lutteur de 65 kilos. Pour son ami d'enfance Jackie Bahoro, Jamilou Bokoy est une personne aimable qui a le sens de bon vivre. da muke mishi har ga Allah wanda bai da matsala ga jama'a kuma mutum ne nagari ana yaban shi duk inda ya shiga kuma muna shi ta arziki. Le travail nourrit son homme. le Boko estime que la lutte lui permet de vivre et de subvenir aux besoins de sa famille. A alheri muna samun alheri da dama a cikin wannan wasa mutane da dama wani daga nesa zai kiran kama ya ma alheri kuma mutane suna gani ko ina ana taimaka ma 'yan kokowa kuma muna jin daɗi. C'était le portrait du jour réalisé par Salamout Kadiri. Chers auditeurs, faisons à présent une courte pause. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. À présent, il est temps de prendre soin de nous, Samira. Eh oui, les amis, auditrices et auditeurs, si vous nous rejoignez, vous écoutez l'émission Le Niger sur Kalangou et c'est l'heure de la rubrique rose. Aujourd'hui, nos chroniqueuses vont vous présenter une astuce pour faire des pâtes de maïs ou de mille bien lisses pour accompagner vos sauces. Mais avant, elles vont nous dire l'impact des douches chaudes et froides sur notre organisme. On l'écoute. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagées par nos chroniqueuses. Hello, nous voici de retour après euh, cette petite étude sur la connaissance de la banane plantain que j'espère que vous avez gardé. Passons aux différentes façons de la cuisiner. Vous l'aurez compris, c'est la rubrique rosade alors pour commencer, je tenais à vous faire redécouvrir la banane plantain, un fruit génial qui mérite vraiment qu'on le découvre et qu'on lui donne une place de choix dans la cuisine, tout comme on le fait déjà pour la pomme de terre ou la patate douce. Pour rappel, sachez que la banane jaune, outre de nous rassasier pleinement et d'être sans gluten, possède un apport nutritionnel très intéressant. Il existe des centaines de recettes à la base ou contenant de la banane fruit mais je ne vais citer que quelques-unes et qui sont très célèbres et très typiques de certains pays de la sous-région. Déjà, nous commençons par la loco, banane plantain tranchée et frite. ça c'est en Côte d'Ivoire. Cloco, banane bien mûre, pilée, mélangée à la farine, puis frite, toujours en Côte d'Ivoire. Nous allons aussi parler de cette recette qui est le foutou de banane ou foufou de banane. Mélanger la banane plantain mûre et du manioc bouilli, puis pilé et avoir une bonne pâte pâteuse bien accompagnée d'une bonne sauce. C'est vraiment très délicieux. Nous avons aussi des chips de banane plantain. Il y a aussi le foufou de plantano, banane plantain en purée. Nous avons aussi euh, l'acpici. recette ivoirienne à la base d'aubergines africaines, de poissons fumés et d'autres légumes dont la banane plantain, le manioc. Et en bonus, je vous laisse une petite note comment conserver la banane farine. Tout comme la banane dessert ne se conserve pas au réfrigérateur, sinon elle risque de noircir et d'être endommagée, à l'exception de la banane plantain qui est déjà très mûre et donc déjà presque noire, car cela va l'empêcher de mûrir encore plus et donc euh, de pourrir. La banane verte se conserve environ une semaine ou plus à température ambiante. Une température plus élevée aura tendance à la faire mûrir trop vite. Et maintenant, à vos claviers, vous allez dire un commentaire sur la page du studio Kalango Qu'est-ce que vous pensez de ce fruit et légumes Ok, Mariam, à présent à toi pour l'espace santé pour nous parler de sport. de la rubrique santé d'aujourd'hui, on va parler des vêtements de fitness pour hommes ou femmes qui sont conçus avec des fibres synthétiques telles que le polyester ou le polyamide, etc. Ces matières sont totalement adoptées à des sports à haute intensité comme le circuit training et les fitness, leggings, shorts, border ou encore t-shirts. Vous préférez les activités comme le yoga ou la gym douce, tournez-vous vers un ensemble de sports en coton pour plus de confort. En matière de coupe, vous avez le choix entre un modèle ample ou près du corps pour éviter les frottements et être le plus à l'aise possible, nous vous conseillons d'opter pour la seconde option. Maintenant que vous avez déterminé la matière et la coupe, jetez un coup d'œil sur les caractéristiques techniques de votre ensemble de sport, homme ou femme. La respirabilité. Vous avez tendance à beaucoup transpirer. L'idéal est de porter un vêtement de sport qui absorbe et évacue rapidement l'humidité. Ainsi, vous restez au sec et vous évitez la sensation d'inconfort et de froid. Pensez au legging et au débordel avec empêchement aéré sur la pratique est intense. Il faut aussi s'habiller en fonction de la météo. Il est très important de prendre en compte les temps et le lieu d'entraînement lorsque vous choisirez votre tenue de sport. Si vous faites du cardio fitness en salle, misez sur une tenue composée d'un legging et d'un t-shirt, éventuellement d'une veste. Pour les addicts du sport en extérieur, faites simplement preuve de bon sens. S'il fait chaud, privilégiez une tenue fitness peu couvrante un de bordel ou simplement une brassière et un t-shirt feront l'affaire. Dans tous les cas, on évite les vêtements de sport en coton pour faire du fitness, des circuits cardio ou de grosses trainings. En effet, cette matière a tendance à moins bien évacuer l'humidité que les fibres synthétiques. Ça, c'est tout pour l'espace santé de cette rubrique rose. Bye Et eh bien voilà, chers auditeurs, euh, le vendredi passé, nous, vous avons présenté ce fruit euh, et légume qui est le banane plantain. Donc euh, ce lundi, pour rectifier, nous avons décidé de vous donner quelques recettes possibles avec la banane plantain. Ça est suivi du sport par rapport au fitness et tout ce qui s'ensuit. Voilà, c'était la rubrique rose. Maintenant, allons découvrir le loti. La cuisine doit être dans une maison, l'une des pièces les plus propres car tout ce qui sort il va de la bouche. Et eh oui, euh, vous l'avez compris, le loti d'aujourd'hui met l'accent sur la propriété, l'hygiène dans la cuisine. On écoute Rekia Arimi et toi-même, Mariamade. Affairage, affairage, affairage, affairage. Alhamdulillah, t'aurais pas été lucie Je ne savais pas que tu étais un cordon bleu. Merci ma chérie. Quand il s'agit de faire des bons plats, tu peux compter sur moi. Hmm, sois modeste au moins. Modestie, hein, ça c'est pour les faibles. <laughs> Attends, je vais me laver les mains dans ta cuisine. Tu connais les chemins, fais comme chez toi. Qu'est-ce que je vois là Gambi Gambi Qu'est-ce qu'il y a C'est quoi cette cuisine Comment ça Nya, nya, Tu ne vois rien d'anormal Non. Toi, tu vois quoi Et tu es sérieuse là tu ne vois pas l'état de ta cuisine Tu ne vois pas qu'elle est sale Non, c'est parce que je viens de préparer. Pas du tout. Regarde toute cette crasse incrustée. Tu vas me dire que c'est ta préparation d'aujourd'hui. Toutes ces taches et assiettes entassées. On dirait que tu as fait un siècle sans faire la vaisselle. Ouais, ouais, ouais, ouais. Hé, laisse-moi tranquille. Tu ne vois pas que je n'ai personne pour m'aider entre le boulot, l'entretien des enfants et de la maison, je n'ai vraiment pas le temps de ranger une cuisine, franchement. Je suis dépassée. Tu n'as pas le temps. Et pourtant, c'est la pièce de ta maison qui doit être la plus propre parce que tout ce qui y sort va dans la bouche. Tu ne t'inquiètes pas pour la santé de ta famille. En quoi ne pas laver les assiettes peut nous rendre malades Des mauvaises habitudes de nettoyage et une mauvaise hygiène personnelle peuvent entraîner une contamination des aliments, des intoxications alimentaires et la propagation d'infections. Hein? Mais oui. Comment assurer une bonne hygiène dans ma cuisine alors Tu sais, les niveaux les plus élevés de contamination sont observés à des endroits humides, par exemple, les éponges des cuisines, les torchons, les tuyaux d'évacuation des éviers et les poignées des robinets et la vaisselle sale. Commence déjà à jeter les miettes et les résidus alimentaires comme il se doit et lavez ta vaisselle immédiatement. C'est le plus important. Essuyez les comptoirs avec du savon et de l'eau et les désinfecter. Nettoyez le planche pour enlever les aliments. Nettoyez toutes les surfaces y compris les portes du réfrigérateur, le four, la cuisinière et les autres électroménagers. C'est pas fini. Ne pas placer les ordures dans les airs de préparation des aliments comme cette poubelle pleine qui me donne envie de te gifler. Tu peux la mettre plus loin et bien couverte pour éviter d'attirer la vermine. Choisir un produit de nettoyage ou un désinfectant adéquat comme l'eau de Javel pour la tâche à réaliser. Mais dans la plupart de ces cas, de l'eau et du savon sont suffisants. Oui, oui, oui, tout cela. <laughs> tu penses que ta santé et celle de ta famille a un prix c'est tout, je vais voir si je peux le faire. Hein. Wallahi, je vais me fatiguer. Tu me fatigues. Tu me fatigues, Djamma. Donc, quand on te voit chic, chic, comme ça, dehors, ta cuisine est comme ça. Tu es arrivé là-bas Ça a même dépassé. Hmm. toi, je t'écoute. Quels sont tes autres conseils pour éviter les infestations de vermine Tu vois, Djamma, tu peux placer tes équipements et les matériels servant au nettoyage près de l'endroit où ils seront utilisés. Nettoyez le garde-manger régulièrement aux endroits où les aliments secs, les pâtes, les riz, les boîtes de conserve et les céréales sont entreposés pour éviter l'accumulation des miettes et des autres morceaux d'aliments. Enlevez les déchets régulièrement et adéquatement. Et toi qui ne veux pas grossir là, est-ce que tu sais qu'il y a une étude américaine qui suggérait que la personne laxiste laissant leur vaisselle à l'abandon, tout comme le reste de la cuisine, ont plus de chances de prendre du poids facilement Quoi Eh oui, il ne s'agit pas vraiment d'un rapport de cause à effet direct. Laisser sa vaisselle dans l'évier et empiler une montagne ne feront forcément pas de vous une personne obèse. Mais l'étude menée par le Food and Bread Lab Environment de l'université Cornell aux États-Unis en 2016 tend à montrer le lien entre l'état d'une cuisine et le stress ainsi que le comportement alimentaire. Va vérifier si tu veux. Il est normal que de la graisse s'accumule dans la cuisine lors d'une utilisation quotidienne, qu'il s'agisse d'assiettes, d'électroménagères, des plaques, des fours, des grilles de cuisine, etc. Et elle est surtout très difficile à enlever et comme je rentre souvent très fatiguée, je ne perds pas mon temps sur ça. Mais là, je me rends compte que j'avais tort. Gambi, pour être honnête, je reconnais que ce n'est pas une tâche facile au contraire, c'est un travail à forte intensité de main-d'œuvre. Mais tu peux utiliser bicarbonate, le vinaigre blanc ou les citrons mélangés à un peu d'eau tiède et du gros sel pour le nettoyage de la graisse. Et le tour est joué. Ça a l'air si simple dans ta bouche, mais je me dis qu'avec de l'organisation et de la motivation, il sera possible pour moi de le faire systématiquement après chaque repas. Il suffit d'en prendre l'habitude, je pense. Et voilà, <laughs> voilà, merci beaucoup, Djamma. Je verrai à ce que ma cuisine soit bien propre dorénavant. Tu as intérêt. C'était là, là, le loti euh, du jour. Découvrons à présent la recette culinaire. Samira, aujourd'hui, nous allons vous apprendre comment préparer les beignets des graines de soja que nous appelons awara là le spécialiste, il est cuit à la vapeur ou frit puis assaisonné. Oui, euh, notons que euh, le awara est très populaire dans certaines localités du Niger comme Maradi. Hawa Ousmane est allé à la rencontre de Kandeme Hawara qui partage avec nous sa recette. mutane suna buƙatar cin abu dai hakan ga dai irin wani wanda ba da dai nauyi hakan ba don wani rashin ci ko rashin saba kawai ne. so awara sai mu zo mu yi ci in muka yi ci sai mu yi da daudar da ke ciki in muka yi da daudar da ke ciki sai mu zo mu zo mu sa cikin roba in muka sa kawa ba mu ji da wuri kawa zuwa hakan ga ƙarye biyu hakan ga na dare sai mu sa ruwan ciki kenan zuwa saya ya jika in ya jika sai mu tai mu kai wajen markaɗe ya aka markaɗe sai mu zo mu sa ruwa cikin ya mu tace in muka tace sai mu hidda da sadda ke ciki sai mu zo mu aza tukunya in muka aza tukunya sai sai mu sa a jiki in ya tafso sai a sa ruwan yami wani bi in ka sa ruwan yami in yayi yawa sai wara sai ta yi kawa in za ka soya sai ta ita ga ta nan tana tsatsagewa tana gwadin ke na ruwan yami ya mata yawa in ruwan yami kun basu mata yawa ba sai ta yi tsaf in ka soya sai ga suya ta yi kyau eh akwai riba tunda ana samun riba tun amma in dai kai kake kawa ba kai kake yi ba kaiwa kake ana yi maka wani bi gaskiya ba riba wani kuma kana riba eh ina samu ina ma raga yanzu tunda yake ba irin yanka abu gaba ne miki yanka ne miki Voilà, j'espère que vous allez essayer cette recette à chez vous. Le Niger sur se poursuit avec la culture linguistique. Chères auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique culture linguistique. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to your show, culture linguistique. La procrastination peut être définie comme l'acte volontaire de retarder une action ou une tâche malgré les conséquences négatives que cela peut avoir sur notre conscience. Vous l'avez deviné, le mot du jour est procrastination. La procrastination, que ce soit en français ou en anglais, à l'écrit, la différence ne s'observe pas, mais la prononciation diffère. Procrastination is the action of delaying or some things. L'exemple que nous allons prendre aujourd'hui sera une petite anecdote que j'ai vécue et que je vais partager avec vous. J'avais une amie d'enfance à l'époque. Toutes les folies et expériences liées à l'enfance, nous l'avons vécue ensemble. Nous étions inséparables. Depuis toujours, mon amie était diabétique donc elle était tout le temps malade. On lui interdisait de prendre du sucre, mais étant des enfants, on se cachait pour payer des bonbons. Et après, elle se retrouvait à l'hôpital. Comme je suis la plus âgée et que ma mère étant un agent de santé, elle décida de me sensibiliser sur le type de maladie qu'avait mon amie et à quel point c'était grave. En 2019, un soir, ma soeur est rentrée et me dit Samira, il y a une telle qui est malade. Je lui demande elle a quoi Elle me dit elle ne sait pas, mais apparemment ce n'est rien de grave. Je pouvais aller la voir, mais j'ai décidé de remettre cela à demain après les cours. Le lendemain à 10h, j'étais à l'école et de ma fenêtre, je voyais les élèves de son école venir en masse. Donc j'ai posé la question à une fille. Qu'est-ce qui se passe Vous êtes en grève L'élève en question me répond. Non, il y a une de nos camarades qui est décédée. À la descente, une fois à la maison, je vois un rassemblement devant la porte de sa maison. Automatiquement, je fais le lien entre ce que ma soeur m'avait dit la veille et ce que l'autre soeur m'a dit. Je cours rentrer chez moi en hurlant le nom de ma soeur. Après quelques cris, je la vois sortir, les yeux tout rouges. Je m'écroule en même temps. C'est comme cela que j'ai perdu mon ami. La procrastination implique donc une attitude qui, bien que positive dans le présent, finit par entraîner davantage des désavantages dans le futur. Procrastination is associated with a variety of dangerous and negative effects include worse academic performance, low self-esteem, and increased stress. Ladies and gentlemen, that's all for today. Chères auditrices et auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci Samira pour ces éclaircissements. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication, en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et oui, à présent, écoutons les messages vocaux que nos auditeurs nous ont envoyés. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs nomme M. Touré Abdelaziz Zakou, directeur école Winde. Franchement, Studio Kalangu unifie les gens et ça les donne beaucoup d'informations par rapport à la situation du pays et comment vivre même socialement parce que c'est des choses que les gens sont en train de faire. Mais avec euh, Studio Kalangu, on arrive à toucher toutes les couches chacun doit savoir de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'il va faire. Donc, euh, premièrement, je salue ma vieille maman, elle est à Niamey. Je salue mes frères et je n'oublie pas mes deux femmes à Balera. Aïno Moulay Moussa Kansigene Moulay Damal Mouinditan. Balayara, Wallahi Estriyo Kolangu, Rigogo Makani Gumo. Zamir wo bon fiera ka Rigogo Douaga, Zati Dinge Eroto, Irsi Hangan Hekul Kade Dabian, Rigogo Makani, Gumu Gumu Manchikaina. Radio wo Kayenz Kaka Sohon, Kade bon fiera Kirgudu Watukulu. Wodim Ban banda irga fo zada ba wa kan kan dirse ragiya ne wa abanda ka langu goy tere ai gani fo ai gi bani ha fo chor kango arlit salai alu sabar mo sai kango goyo te matkan kina hima alai salisu wanda aka sani da alai salisu mai albasa batun abun ga studio kalangu gaskiya asuman eh, sai dai mai fatan ubangiji Allah shi kara daukaka kuma da fatan alheri eh, ina sauraren su kai da kafa fi sabilillahi saboda duk abin da shi kaga kan matasa kan mi duka ina biyar da duk abubuwan da ka gudana suna fahimtar da mutane kuma kamar makaranta ce ma 'yan kaddiba game da harkar nan na studio kalangu saboda abubuwa diya wanda suka yi na tsare-tsare wanda ba yaro ba ba latizo ba duwar kake kana karuwa da shi to bisa wannan sai dai mun fatan jinjina da fatan ubangiji allah shi kara ma wayanda suka yi wannan tsari eh, husaha na kara. wannan shiri. Amina Galangu gaskiya alhamdulillah gaskiya muna jin daɗin shi Allah ba ya yi Allah ya taimaka gaskiya shirin yana ƙatarwa al'amuran ma gaba ɗaya suna birge ni gaskiya muna jin daɗi wallahi Karhe biyar zuwa karhe bakwai na mari eh, alhamdulillah wallahi Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Chers auditeurs, c'est ce qui marque la fin de Niger sur Kalangou de ce 1er avril 2024. Euh, Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie de Mariam Adé et de moi-même Samira Rafi. À la technique, c'était Issa, C'était Sen Isaka et la grande dame Adama Dawaki, notre chef d'édition. Bon début de semaine et bonne rupture.